est issue, bien sûr, euh, de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, elle est rapportée à sa prévalence qui est faible en population générale. Mais, quand la maladie est prise à l'échelle individuelle, pour chaque personne qui en souffre, ce n'est pas rare, comme vous l'avez si bien indiqué. Donc cette personne qui est malade a besoin de soins, a besoin de traitements mais surtout a besoin d'accompagnement. Alors, selon l'OMS, les maladies rares concernent un nombre élevé de personnes. Elles représentent près de 7 000 à 8 000 maladies. Donc, il y a près de 7 000 à 8 000 maladies qui sont étiquetées maladies rares du fait de leur faible prévalence. Et dans le monde, on estime à près de 350 millions de personnes qui sont touchées par ces maladies rares. Et au Sénégal, nous avons déjà recensé près de 800 Sénégalais et Sénégalaises, et pour la plupart des enfants, des jeunes, des adolescents, qui souffrent de ces maladies. Alors, au Sénégal, les maladies les plus notifiées, c'est les maladies neurologiques, d'origine génétique. C'est essentiellement les myopathies de Duchenne, de Becker, c'est les neuropathies, Charcot-Marie, la sclérose latérale amyotrophique, l'amyotrophie spinale. J'invite euh, nos collègues de la presse de se rapprocher des services de neurologie et autres, vraiment pour pouvoir euh, parler de plus en plus de ces maladies, malheureusement qui ne sont pas très bien connues dans nos populations. Mais également l'hémophilie, la drépanocytose, la sarcaïdose, le lupus, la draconculose, bref, c'est un ensemble de maladies qui sont là, mais leur prévalence fait qu'elles sont étiquetées des maladies rares, mais qui concernent vraiment nos concitoyens. Alors donc la particularité de ces maladies est liée à leur faible niveau de connaissance de la part de la population et même du personnel de santé. On a parlé d'errance diagnostique, c'est-à-dire le retard qu'il y a entre l'apparition des symptômes et le diagnostic. Donc il y a beaucoup d'errance parce que c'est méconnu, même de la part du personnel de santé. Mais à, côté de l'errance diagnostique, il y a l'impasse diagnostique. C'est-à-dire, même parfois, si le diagnostic est posé, l'éthiologie, l'étiologie, c'est-à-dire la cause profonde de la maladie, très souvent n'est pas bien connue. Donc voilà les deux défis essentiels sur lesquels nous devons nous appesantir pour pouvoir lutter véritablement contre ces maladies rares. Euh, mesdames, Messieurs, nous sommes conscients que si nous voulons tendre vers la couverture sanitaire universelle, vraiment qui est une ambition très forte de l'État du Sénégal, nous ne pouvons pas ne pas prendre en compte les maladies rares. Mesdames, Messieurs, il me plaît également de souligner les efforts importants déployé ces dernières années par l'État du Sénégal à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Comme vous le savez, euh, nous avons créé au niveau du ministère de la Santé une direction appelée Direction de la lutte contre la maladie dont j'ai l'honneur de diriger, qui ne s'occupe que des aspects de maladie. Au sein de cette direction également, il y a une division intitulée Division de lutte contre les maladies non transmissibles, vraiment dont le seul travail, la seule mission, c'est de lutter contre les maladies non transmissibles, et en particulier contre les maladies, en tout cas à soins coûteux, parmi lesquelles les maladies rares. Mais également, nous avons élaboré, et je pense que mesdames et messieurs de la presse étaient présents ce jour-là, au lancement du plan national de lutte contre les maladies non transmissibles. Et ce plan a été partagé. Et ce plan intègre en particulier les maladies non transmissibles, et particulier les maladies rares. Mais également, euh, nous, notre ambition, notre perspective, c'est vraiment d'élaborer un plan spécifique, un plan vraiment dédié à la lutte contre les maladies rares. Et ça, vraiment, c'est une information que je voulais donner et également appeler à la collaboration de tous les acteurs ici présents. Alors, je voudrais également profiter euh, de ce moment solennel, vraiment pour encore une fois rendre hommage à nos experts, à nos universitaires, nos neurologues, nos généticiens, mais surtout à nos partenaires de la France, de l'Espagne, vraiment pour l'école de myologie, vraiment pour la très belle franche collaboration. Mais mesdames, messieurs, chers participants, malgré tous ces efforts importants, il est euh, force aussi de constater qu'il y a des défis dans la satisfaction de la demande euh, de prise en charge des maladies rares. En effet, la prise en charge de ces maladies rares dans les pays à revenus faibles est fortement entravée par la question des ressources humaines spécialisées. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de généticiens n'avons pas encore de spécialistes dans certains domaines. Le plateau technique, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits par l'État du Sénégal. Aujourd'hui, nous avons ouvert beaucoup d'hôpitaux que vous connaissez déjà, qui sont vraiment des hôpitaux flambants neufs, clés à main, équipements de dernier cri, et également prochainement. voilà prise en charge bu metti la prise en charge bu metti ci walu mettez metti si wàllu euh, lu ñu analyse ñu def wala ay ay ay échographie wala ay radio yi def ak euh, garab yi jël déplacement rien que rendez-vous ce euh, ce patient vous ko rendez-vous tay bu dafa dëkk Kër par exemple hôpital difficulté bu rëy la balaa muy accès bu accès timide léeg-léeg sax si biir hôpital bi pour mu accès si service rek problème la il suffit juste yow par exemple nga nekk ci euh, au premier fekk moom mi ngi ci chaise problème bu rëy la donc ñoom dundin bu métti la ñuy dund prise en charge bi métti na lool waaye yàlla baax na ndax ministère de la santé et de l'action sociale ñoo ñi ñu siy jàppale bu baax surtout à travers division bi yore wàllu lutte contre la maladie njiit li di Mamadou docteur Mamadou Moustapha Diop vraiment ñoo ngi ñuy jàppale bu baax waaye nag comme ni ko président waxee léegi-léegi bu ñuy yokkalee ñu jël ndaxte léeg léegi dañuy nekk ci kanamu nit ñu xam sax lu ñuy lu ñu war a def parce que xam nañu xam nañu lu ñu war a def waaye duñu xam moom lan lañ ko war a nan lañ ko war a def parce que dañu duñu am lu ñu war a def yëpp ci suñuy loxo. signes yi wax ko dina xaw jafe ndaxte. du ben jangoro dong jangoro yu beure la donc jangoro bu nek ak siiñam waye li ci teunk li ci gën beure ci jangoro yoyu da fay nek yo xamanteni da fay tere nit ki mu dund dund bu mucc ayib leg leg mu nek nit ki da fay nek handicapé wala leg leg nit ki xelam sax du and ak mom wala mu nek nit ko xamanteni xeyna day am euh, comme cancer et cetera donc siiñ mom da fay xawa ki kii nak prévention bi nee garab euh, nee nañu faj euh, maladie yooyu waaye jàngoro yooyu li si gën bëri jàngoro buy topp ji topp deret la maanaam su ko nit amee ci kër lu ci gën bëre mën na nekk si moom dong la yem dëgg la waaye am na yoo xamante ni dafa fekk dafa doon dafa topp deret maanaam dafa dafa jëlee ci ay jëram donte ay waajuram xëy na sax ñoom feebaruñu waaye moom si si waajuram la ko jëlee euh, ba tax na buñ ci amee benn kaa cas boobu dë naam dinañu intéressé way li ñuy gën intéressé encore moy ñi nga xamanteni ni jotagu leen dal ci biir famille bi donc li ñuy bëgg def euh, bu boobu euh, suñu ta ci fofu moy set dretu wa kër gi yëpp ak ñu mu bokkal ñëpp dret ñu set sen dret xol ba xam li joxe jangoro ji nekkul ci sen dret te mu lapp ci bu ko defee bu ci nekkee euh, avant si ñi di ñëw légui koku dañ koy jox ay rendez-vous diko saytu di xol Euh, à chaque fois at bu nek wala juromi ben weeru bu nekk mu ci kër docteur ñu xolal ko yaramam xol ba xam amul benn signe pour que bu fekkee amna ay signe tambalé ñew rek ñu mën ko fagaagal ci ni mu gëna gaawé di di gërëm bu baax association taxawuma euh, Sénégal maladie rare mais également euh, acteur communautaire yi ci vraiment point de presse bi nga xamné dañ ko jaglél journée bi nga xamné mom lañuy wax maladie rare. ah lan moo tax ñu oolee maladie rare ndaxte dafa nekk maladie nga xam ni néew na lu ñu koy gis mais c'est pas parce que néew na lu ñu koy gis que waruñu ko bàyyi xel te aujourd'hui suñu mëbët ñun ministère de la santé mooy def lu ñuy wax couverture sanitaire universelle loolu nag mënuñu ko def te bàyyiwuñu xel feebaru maladie rare yi alors maladie rare yooyu nag boo ko seetee war nañ ëpp juróom-ñaari junni feebar yoo xam ni dañu leen boole ci maladie rare mën nañ ci boole drépanocytose mën nañ ci boole hémophilie mën nañ ci boole maladie yi nga xam ni ay maladie neurologique la maanaam day jàpp dit dañ nekk ay xeetu feebar yoo xam ni day topp ndono ay maladie génétique la ñu amuñu vaccin waaye nag am nañu ay conseil prénuptial am nañu ay euh, dépistage néonatal loolu ministère de la santé ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax tey jii am nañu ay direction ak division mais également am nañu li ñuy wax plan stratégique boo xam ne dañ ko jagleel les maladies rares te sunu ambition ak sunu mbëbët mooy def benn plan bu nga xam ni spécifique lay doon ñu jagleel ko maladies rares yi. ñu ngi lay sant di